accomplie pour le Khalif général de Medina Baïnias, il vient de réconcilier les belligérants du Darfour. Ces derniers étaient en conflit depuis 2003, euh, un euh, conflit qui a occasionné 200 morts durant le mois de Ramadan, nous dit euh, Fatounia. Accueil du Khalif par les disciples de Cheikh Ibrahim Nias à Oustania et à Gara. Le Khalif a été escorté par une chevalerie. Pour rappel, la tournée au Darfour a commencé par Jenina, puis Oustania, ensuite Gara, enfin Facha, où se trouve actuellement la délégation. Dans la soirée du dimanche 22 mai 2022, son éminence, Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahim Nias, Khalif de la Faïda Tijaniya, président de l'Union islamique africaine, a réuni les belligérants qui lui ont promis de cesser le conflit. Pour rappel, la guerre civile au Darfour a fait des milliers de morts et plus de 200 morts durant le mois de Ramadan. C'est un conflit armé qui touche depuis 2003 la région du Darfour située dans l'ouest du Soudan. Ses origines sont anciennes et le conflit est présenté comme opposant les tribus arabes dont sont issues les Janjaouites et les tribus noires africaines non arabophones, les Massalites. Cheikh Bishara, grand Mouhadam de Baye, a fondé la Zawiya de Oustania et Cheikh Ahmad Hanafi est le muhaddam de Baye qui a fondé la localité de Gara lors de sa visite à Kaolak du temps de Cheikh al-Islam. Et tous les deux ont reçu l'autorisation des mains de Cheikh al-Islam et l'âge Ibrahim Nias, chargé de communication du Khalif Cheikh Tidian Nias, plus connu sous le nom de Cheikh Soudan et Cheikh Tidian Ben Amarkan de Darul khuran fils aîné de Seyda Mariam Nias, membre de la délégation. liggéey fay ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV